C'est un être exceptionnel. C'est-à-dire, c'est une femme qui adore le bien. On a créé un groupe WhatsApp, c'est elle l'initiatrice. Chaque le 12, il y a un membre. Les gens cotisent pour ce membre-là. Ce dimanche-là, c'est elle qui annonçait la nouvelle. Ce dimanche, elle n'a rien, euh, euh, euh, elle n'a rien dit. Je me suis dit qu'elle doit avoir un empêchement. Et j'ai pris mon téléphone pour dire aux gens, aujourd'hui c'est le 12, c'est Boy qui l'annonçait, certainement elle a un empêchement. Donc j'ai prié Takosan, j'ai prié Timis, j'ai prié Dieu, mes enfants m'ont annoncé sa mort. Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Mais elle faisait des cadeaux. Elle nous donnait à manger, elle nous donnait à boire. À chaque fois, quand quelqu'un a une cérémonie, elle est en première sur la ligne. D'abord, quand commencé à Dakar, mu ne la papa ma ne ko naam mu ne la naa la dépense dootoo joxe dépense si kër gi kon kooku bu demee doom bu demee ba defal la loolu wax dëgg ne yàlla amatoo dara loo ndax dépense mooy lépp te defal na ma loolu bi muy tabax kër gi su ma nee damay jàpp mu ne ma sant ma la sa dërëm dem ci te maa ngi leen di waatal ne ku dégg sa bàmmeel ak at yi maam sama dërëm demul ci tabax bi di leen wax ne daba borom baax la daba borom baax la yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko